le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamkou Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Forum de la presse. Le Forum de la presse, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec des confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité. Les sujets d'actualité qui feront l'objet d'analyses et de commentaires dans le Forum de la presse d'aujourd'hui sont les suivants. Célébration ce jour 30 novembre 2018 de la Journée nationale de la liberté de la presse, jour anniversaire de la signature par le président de la République de la Déclaration de la montagne de la table mercredi, les conducteurs de taxi de Niamey étaient en grève pour exiger, entre autres, la réduction du prix de l'essence à la pompe. Sur le plan sécuritaire, la région de Difa connaît une accentuation des incursions armées avec des enlèvements et des morts. Et puis la femme à l'honneur avec les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, à suivre les analyses de nos confrères sur la situation de la violence que subiraient certaines femmes au Niger. Pour en discuter, nous sommes avec nos confrères Ousseini Issa, journaliste freelance. Ousseini, bonsoir. Bonsoir. Rufai Dandoua, également journaliste euh, indépendant. Rufai, bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes également avec Hassan Boukar, directeur de la radio alternative, en ligne depuis DIFA. Hassan, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir bien voulu participer à cette émission. Au micro, Alassane Kouzi Mohamed. Célébration ce jour 30 novembre 2018, je le disais, de la Journée nationale de la liberté de la presse. Pour rappel, cette journée a été instituée au Niger en 2014 pour commémorer le 30 novembre 2011, date de la signature par le président de la République Issoufou Mamadou de la déclaration de la montagne de la table initiée par l'Association mondiale des journaux, une déclaration qui vise à abolir les lois sur la diffamation et l'injure publique en Afrique et replacer la liberté de la presse au cœur des discussions. La thématique thématique retenue pour cette cinquième édition est la contribution des médias pour la paix et la bonne gouvernance. Alors, nous allons tout de suite donner la parole à Hassan Boukar qui est en ligne avec nous depuis euh, DIFA. Hassan, quelle, est, euh, cette, quelle signification a pour vous cette journée nationale de la liberté de la presse Merci beaucoup. Je pense que euh, c'est très chose d'important d'avoir une journée consacrée à la presse au Niger une journée par laquelle les médias peuvent échanger entre eux de leurs conditions de travail, des droits euh, qui sont leurs dans le contexte de notre pays. Euh, donc, en tant que tel, consacrer une journée à cela, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et là, vous avez rappelé le thème de cette année. Ça permet à l'opinion de connaître un peu la contribution des médias dans un contexte particulier qui est notre pays, notamment euh, dans un contexte d'insécurité. Les médias peuvent parfaitement contribuer aujourd'hui à promouvoir la paix, à aller vers une résolution particulière des conflits. C'est donc une journée pendant laquelle on célèbre la presse. Euh, je pense qu'il y a une journée internationale, mais le fait d'avoir une journée nationale consacrée aux médias, pour moi, c'est quelque chose, quelque chose important. Mais j'aurais voulu que, euh, de façon globale, euh, au-delà des, déclarations, de cette volonté de promouvoir, et dans les actes aussi, on puisse effectivement promouvoir la liberté de la presse, promouvoir les médias. J'ai l'impression, quand on regarde la pratique, on n'est pas euh, nécessairement à pas de concordance entre le respect grands principes comme la, signature de la montagne de la table et ce que vivent les médias dans, la réalité de notre pays. J'ai l'impression que notre régime devient quand même plutôt difficile avec les médias. On peut les féliciter euh, quand ils payent le fonds de la presse, c'est important pour les médias, mais j'ai l'impression que du point de vue vraiment d'une réelle volonté de promouvoir les médias, je pense qu'on a encore du chemin dans notre pays. Euh, concernant, oui, nous revenons au studio. Euh, restez avec nous euh, à, San Boukar, au issa concernant justement la thématique retenue cette année. Pensez-vous que les médias contribuent réellement de façon pleine ou à moitié de la culture de la paix et la bonne gouvernance au sein Oh, mais merci, je suis entièrement d'accord avec ce que mon ami Abba Hassan vient de dire, par rapport à cette thématique-là, les médias contribuent, évidemment, les médias ont toujours contribué. C'est avec la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de presse, qu'on a pu au moins permettre aux citoyens d'être informés sur comment l'État est géré. C'est quelque chose de très important. Les citoyens ont besoin de savoir parce que c'est les citoyens qui contribuent à mobiliser les ressources publiques il faut que les citoyens sachent comment les ressources publiques, lorsqu'elles sont mobilisées, comment ces ressources-là sont gérées. C'est grâce aux médias que ça se passe. La paix, c'est aussi quelque chose de très important et les médias ont toujours contribué à promouvoir la paix, quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise. Mais euh, la problématique, c'est que ça dépend de quelle tendance, parce que le tout n'est pas de dire, bon, je suis un média indépendant. Encore faudrait-il créer les conditions pour que les citoyens à la base soient informés de comment ce qu'il donne là, sa capacité contributive là, comment l'argent est géré. C'est très important en matière de paix, de sécurité et tout. Malheureusement, on a tendance dans nos pays africains à créer les conditions pour que les médias qui essayent de donner un peu de visibilité par rapport à cette et Essayer de creuser, d'aller un peu plus en profondeur. Plus en on les considère comme étant des médias hostiles, euh, au régime en place et tout. Moi, j'ai dit, partout ailleurs dans le monde, ça fonctionne comme ça. Aux États-Unis, on voit comment ça se passe. Le New York Times passe, euh, en tout cas, critique certains actes posés par Donald Trump. Et en France, euh, le monde les, les, médias, ils, ils essayent d'éclairer pour ne pas faire la pensée unique où on pense que le système en place, là, il faut nécessairement le défendre. Il faut que les gens qui viennent au pouvoir acceptent que on critique, on essaie de fouiller dans comment ils sont en train de poser les actes pour pouvoir remonter ça en surface, informer les citoyens afin qu'ils prennent conscience que tout ce qu'ils donnent là, ce n'est pas évident que l'argent qu'ils contribuent, cet argent-là, est injecté effectivement dans le cadre pour, promouvoir le développement euh, dans, les pays. Bien. Euh, quel est votre point de vue à, ce sujet La contribution des médias, donc, euh, un peu à la promotion de la culture de la paix, de la bonne gouvernance oui, je pense que, bonjour d'abord, je pense que beaucoup a été fait depuis l'avènement de la démocratie et pour consolider les acquis démocratiques, pour euh, asseoir des bases de, de compréhension de beaucoup de choses. Mais euh, je me demande euh, comment on peut parler de la liberté de presse dans un pays lorsque le média d'abord national censé donner la parole à tout le monde parce qu'il est géré par le euh, il est financé par l'argent du contribuable lorsque euh, je disais et que ces médias ne donnent la parole qu'à une seule euh, partie de la population. Un, deux, comment on peut parler de la liberté de la presse lorsque les médias privés aussi qui sont euh, supposés être libres aussi s'enferment eux-mêmes des fois pour ne pour ne faire que ce qu'ils ne veulent ou ce qu'ils ne pensent. Et comment on peut parler de la liberté de la presse lorsque les gens censés et animer ces médias vivent dans la précarité la plus absolue. Aujourd'hui, j'ai suivi, je ne sais pas, c'est hier ou ce matin, sur une radio, un débat où on dit qu'il y a encore des gens qui sont payés à 15, 30 000 francs. Vous, parlez, vous pouvez vous parler de la liberté de la presse lorsque un journaliste ou un technicien est payé à 20 ou 30 000 francs et je ne pense pas. Lorsque aussi, et peut-être, je ne sais pas si on allait revenir, lorsque le ministère de la Communication, qu'il soit seul ou avec un autre, se permet de donner des prix à des journalistes, on ne peut pas parler de la liberté de la presse. Euh, qu'est-ce que vous voulez dire par là Peut-être que je vais choquer euh, plus d'un, et surtout ceux qui, ont reçu le prix. Et la, la, la loi sur, euh, en journalisme est claire. Un journaliste ne peut pas recevoir un prix qui ne vient pas de la corporation. Lorsque d'autres entités se mettent de côté pour juger des journalistes, vous voyez, qui de surcroît le font avec le ministère de la Communication, on, non, c'est pour hmm. vous dire, c'est parce que quelque part, hmm. on profite de notre euh, faiblesse, la faiblesse due surtout à la précarité, hmm. maintenant pour faire ce qu'on veut des, journalistes. D'accord, on donne. Mais vous ne voulez pas que euh, les, efforts soient, soient encouragés, soient félicités le, le meilleur effort qui doit être encouragé pour un journaliste, il doit venir de la corporation. Lorsque lorsque tu reçois un prix de la corporation, tu dois être fier. Il y a des prix à l'international qui ont fait eh, eh, la grandeur des grands journalistes. Mais quand le ministère te donne un prix, tu ne dois pas, normalement, tu ne dois pas te nous, réaliser. Nous, pouvons fermer cette parenthèse pour savoir, euh, selon vous, quels sont les défis euh, aujourd'hui à relever au Niger en matière de liberté de la presse ah, Le, défis, défi, il est Vous vous rappelez lorsqu'on avait, eh, je me rappelle, à la maison de la presse, euh, arraché la, le papier là de la banderole de, de, la maison de la presse parce que les journalistes ne croient pas à ça. Ils pensent que ce, sont des, belles paroles, des paroles pieuses qui ont été eh, annoncées et signées par la banderole en question, il était inscrit quoi celle de la montagne de la table, là, lorsque, voilà, je me rappelle, moi, j'étais, je me rappelle, j'étais même assis dans la salle lorsque les gens l'ont, arraché parce les que, défis, parce que ne pas. Oui, les défis, il faut d'abord et faire en sorte que euh, le journaliste ou l'homme de médias vive de son travail. on, a, on, a, coutume de dire que l'artiste ou le chanteur ne vit pas au Niger de son, de son, de son travail. Mais au Niger, même le journaliste ne vit pas de, de son... travail. Et aussi longtemps qu'on va rester, hum. c'est ça le grand défi, aussi longtemps qu'on va rester et être à l'abri ou, à la, ou à la merci des, gens de l'extérieur qui vont vous appeler pour vous donner eh, de l'argent pour insulter X ou Y. Aujourd'hui, qu'est-ce de quoi on taxe, par exemple, la presse écrite euh, pas dans son ensemble, mais de manière générale, on dit que ce sont des maîtres chanteurs, ils viennent quelqu'un, par exemple. Et pour vous, et ça, c'est parce que vous pensez que, c'est à cause de, cette précarité d'une certaine partie. bien sûr, Quand, tu ne vis pas bien, ventre ah, on oh, a point d'oreille, ça qu'on Alors, nous allons, nous allons retourner à Difa avec euh, Hassan Boukar. Hassan, quels sont, selon vous, en dehors de ce que Rufai avait commencé à, énumérer, quels sont, selon vous, les, défis à relever aujourd'hui en matière de liberté de la presse euh, et de, au Niger alors, je pense que je suis d'accord avec Roufaï. Euh, il faut que les animateurs du secteur de la presse soient dans des meilleures conditions de travail. C'est tout à fait normal. Je pense qu'il y a quelques temps, on avait déjà une discussion sur la convention collective qui manque réellement d'être Mais l'État aussi a un rôle à jouer. Il faut d'abord reconnaître aux médias leur contribution au développement de notre pays. Euh, le même de avait justement, ou cinq, je ne m'en rappelle plus, quelqu'un avait dit justement que les médias les plus critiques sont perçus comme des adversaires et les régimes cherchent à les affaiblir. Je pense qu'il faut euh, créer les conditions pour que les journalistes soient dans les bonnes conditions. Il faut que les médias puissent euh, bien être dans un environnement qui permette leur développement, le développement économique, la, la, capacité à faire face à leurs charges et tout ça. Je pense qu'il y a tous ces défis euh, les lecteurs peuvent aussi contribuer. Hein. À un moment, on disait par exemple que la presse écrite, lorsque euh, vous vendez un journal, ça passe par plusieurs mains, les gens ne veulent pas acheter, on peut quelquefois comprendre, le, contexte est là, mais on peut essayer de promouvoir la presse. Si on veut lire un journal, en achetant ce, journal-là, mais surtout, euh, il y a aussi le rôle des pouvoirs publics. Je pense que les pouvoirs publics peuvent vraiment aider à créer des véritables entreprises de presse qui soient viables qui puissent être aussi à même de faire face à leur charité, y compris à mettre leurs employés dans de meilleures conditions de travail. Donc, je pense qu'il y a vraiment tous ces défis à relever. Il ne faut pas oublier, euh, aujourd'hui, on parle de la contribution des médias à la paix, à la sécurité dans notre pays. C'est une contribution importante. Et pourtant, je pense que les médias ont joué un rôle pour renforcer la démocratie, pour la cohésion sociale. C'est un rôle public de grande importance je pense que ce rôle doit être reconnu et les pouvoirs publics peuvent, à mon avis, s'ils veulent aider vraiment les médias à jouer ce rôle. Nous revenons au studio. Euh, nous passons à un autre sujet. Euh, le collectif des conducteurs, je disais, de taxi a appelé à une grève générale mercredi pour montrer son ras-le-bol au sujet des tracasseries administratives et policières, mais aussi relancer sa demande de la réduction du prix de l'essence à la pompe. Un mouvement choisi euh, exprès le 28 novembre, date anniversaire de l'inauguration donc de la raffinerie de Zender. au Issa, quel était l'impact recherché ou le passage qu'ils voulaient faire passer, en tout cas le message que voulaient faire passer euh, les taximens en choisissant de ne pas travailler à cette date anniversaire de cette année d'exploitation du pétrole par la Soraz oh, mais En fait, euh, le mouvement, j'ai constaté que ça a eu un succès. Parce que euh, le matin, pratiquement jusqu'à la mi-journée, il n'y avait pas de taxi en circulation. Et même les taxis qui fraudaient, ils n'avaient pas l'entête pour montrer effectivement, ils prenaient les couloirs pour ne pas se faire prendre par les, les, éléments du syndicat qui ont été mis dans des postes stratégiques pour mmh. pouvoir contrôler ceux qui tentent de frauder. C'est symbolique. C'est symbolique. C'est symbolique en ce sens que Ici au Burkina, ils sont en mouvement. Au-delà du Burkina, en France, les gilets verts, les, gilets jaunes, plutôt, mmh. excusez-moi, mmh. jaunes, ils sont en mouvement. Ils sont en mouvement par rapport au coût du carburant. Il y a une baisse. Depuis pratiquement que le prix du carburant a été institué en 2011, il n'y a pas eu de baisse. C'est le même montant qui est maintenu et tout le monde subit les coûts. Des promesses ont été faites. Des promesses ont été faites, mais qui n'ont jamais été respectées. On se demande bien pourquoi. Parce que tout simplement, il faut, quand un pays d'exportateur tombe, devient pays producteur et qui raffine, les produits, il n'y a pas de raison à ce qu'on dise que les prix vont être maintenus et on est dans cette situation-là. Et moi, je suis tout à fait d'accord et je les soutiens entièrement par rapport au mouvement qu'ils ont mené et qui a bien marché. Je ne sais pas maintenant quelle va être la suite, mais il faut que qu'on comprenne que les ressources naturelles, l'exploitation, il faut que ça profite à tous. Il faut que ça profite les gens, tous. Ne, ne, ce n'est pas une catégorie parce que vous êtes en position de pouvoir vous allez, vous, vous allez euh, considérer que c'est vous qui décidez de comment les choses doivent être et que les autres n'ont pas le droit, les citoyens n'ont pas le droit. Ça a servi à quoi aujourd'hui Parce qu'avant, quand on exportait même le pétrole, les hydrocarbures, il n'y a pas une différence sensible entre quand on exportait et aujourd'hui qu'on a commencé à exploiter depuis 2011. ans. Il n'y a pas pratiquement de différence au niveau des coûts. Bien. Alors que ça doit fluctuer en fonction. Quand ça coûte cher euh, sur le marché international, d'accord, on peut comprendre. Mais quand localement, quand sur le marché international, les Burkinabés, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous avez suivi l'actualité régionale. Au Burkina, ils ont manifesté pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le coût les coûts qui sont appliqués au niveau de la vente des hydrocarbures. Nous revenons, au euh, Rufaï Dandoua. Euh, euh, est-ce que c'est également votre point de vue, euh, le, cette grève a, eu l'effet escompté Moi, je pense que, Ça a été suivi. Est-ce que vous pensez que l'impact recherché, en tout cas, est, à venir en fait, l'impact recherché, c'est que déjà en choisissant la date, cette date, c'est très important. Dans un pays vraiment qui a. Ça a dit que c'était symbolique. Oui, et c'est très bien dans un pays normalement qui se respecte, dans un pays où la mémoire est, toujours vive, c'est très important. Le Burkina, aussi a dit, l'a fait. Et ce qui est bien, c'est que lorsqu'ils l'ont fait, et ils ont été reçus par le ministre qui a dit qu'il va, qu'il va amener les doléances au, Premier ministre. Ce qui n'est pas le cas ici au Niger. Nous, ici, le, euh, le, problème ici, c'est quoi C'est que tout ce qu'on fait, c'est quelque part tenter de, politique. C'est vrai, tout est politique, tout le problème, euh, tous les problèmes sociaux sont des problèmes politiques, mais on ne sait pas dissocier la politique des problèmes et, qui, par exemple, concernent une catégorie comme les, euh, les Sauf que la, question de la réduction du prix de l'essence concerne tout le monde. Justement justement, ils mm. ont entièrement raison de le faire et de demander la, la, la baisse. on a rappelé les, les, gilets jaunes en France qui, qui maintiennent. C'est ça qu'on fait, quoi. On ne peut pas faire des, des, des actions spontanées et on s'arrête. Vous voyez maintenant en France, aujourd'hui, les gilets jaunes ils ont été, ou je ne sais pas s'ils ont été reçus, ou ils, vont l'être à Mathion, après avoir été euh, reçus par le ministre, euh, comment s'appelle, euh, de l'écologie, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord, ils maintiennent le mouvement de, demain samedi. Aujourd'hui, ils vont être reçus par le Premier ministre. Il s'agit là-bas quand même d'un de, certain nombre, d'une catégorie, en tout cas assez diversifiée de socioprofessionnels de la population, mais là, il s'agit simplement des, syndicats de, pour, pour, si je veux faire, mm. faire le lien. C'est dans toutes les couches de la société, on a besoin de formation au Niger. La même façon, quand on parle de la liberté de la presse, on a besoin de la formation des journalistes mm. pour eh, asseoir eh, la liberté de la presse. C'est de la même façon qu'on a besoin aussi de formations syndicales pour faire en sorte que lorsqu'on entame des de mouvements eh, de grève ou de quelque chose, que ça mm. aboutisse, qu'on fasse pression aux autorités politiques pour qu'elles comprennent que la chose politique appartient à tout le monde. Bien. Euh, Hassan Boukar, vous êtes avec nous Oui. La grève a surtout pénalisé, on l'a vu, les citoyens sans moyen de déplacement. Pensez-vous que les conducteurs de taxi pourront en tout cas avoir gain de cause par ces procédés Alors, tu vas avoir gain de cause, euh, c'est difficile à dire, mais je rappelle que c'est la énième fois que les syndicats de taxis reviennent justement sur le coût de carburant. À un moment, ils ont même tenté, je crois, de rehausser de la course de 200 à 300 francs, ça montre quelque part que ce corps vit vraiment des problèmes. Il est vrai que tous les automobilistes ressentent le coût du carburant qui a, par exemple, pour l'essence à 540 francs le, litre, tout le monde le ressent. Mais eux, qui font de ce travail leur métier, qui sont toujours sur la route, qui essaient de vivre justement en transportant les gens, je pense qu'ils vivent particulièrement ce problème-là. Et Ce corps euh, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas beaucoup posé des questions sur les conditions de vie des taximans aujourd'hui. À euh, un moment, il avait à peine 20 000 francs à la fin du mois. Je ne sais plus aujourd'hui combien il gagne un taximan à la fin du mois. Et donc, il essaie de travailler en assurant à la fois le versement au quotidien, en essayant de, rembourser les frais de carburant. Et donc, les deux réunis font que ceux qui sont censés gagner en travaillant toute la journée est totalement réduit et avec ça, assurer les coûts de, vie de la, de la vie à Niamey, assurer les loyers, assurer l'eau, ce qu'on mange, l'éducation des enfants, je pense que ça devient extrêmement difficile. Et je ne suis pas surpris de voir les taximans venir régulièrement sur cette question de Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, euh, à, ce ces jours encore, sept ans après, sept ans après l'inauguration de la SORAS, que les prix du carburant ne puissent pas être réduits mais je pense que les pouvoirs publics euh, pas. Euh, de le garder à ce prix. Euh, je pense que le prédécesseur dit, euh, même lorsqu'on importait le carburant, quelquefois, on a l'impression qu'au moins, s'il y a des fluctuations du marché international, le prix du carburant, quand ça bouge, ça peut revenir peut-être à moindre coût. En tout cas, il y a au moins une fluctuation qui fait que on, se dit, bon, ce n'est pas nous qui le produisons. Mais aujourd'hui, qu'on le produit chez nous, je pense que les Nigériens s'attendent quand même à avoir des conditions d'accès au carburant un peu plus favorable que ce qu'on vit aujourd'hui. Donc je pense que les pouvoirs publics auraient pu faire un peu plus de défense. Et les syndicats de taxis avaient beaucoup travaillé là-dessus. Hein. Je me rappelle un moment, ils ont travaillé vraiment l'architecture du prix du litre euh, à, la, à en disant voilà ce que gagne le commerçant, mais voilà surtout en termes de taxes ce que l'État gagne. Et ce renchérissement, en fait, est dû Surtout au fait que l'État a mis beaucoup de taxes sur le prix du litre euh, à la station. Donc je pense que l'État a encore la possibilité pour améliorer les conditions de vie des citoyens et de réduire ses coûts. Alors il y a, une, façon de faire que j'interroge personnellement. L'État pense que ils doivent collecter les taxes, y compris en allant dans le dernier retranchement des ménages, en disant si je prends l'argent, je l'utilise pour l'intérêt commun. Mais en renonçant à certaines taxes, c'est que c'est aussi des citoyens qui gagnent directement, qui font de l'économie. Les gens peuvent aussi utiliser ces ressources-là pour l'intérêt et chacun peut en profiter. Donc je pense que, franchement, euh, les taximans, moi je, je soutiens ce mouvement qu'ils font. On doit pouvoir revoir ou alors revoir les taxes, y compris des nouvelles qui sont prévues en 2018, à 2019, et qui frappent ce secteur-là, qui font que les conditions déjà difficiles qu'ils mènent euh, sont encore tirées vers le bas. À mon avis, ce corps euh, mérite un soutien pour qu'on revoie les prix de ou alors les autres taxes qui frappe ce secteur afin que ce secteur-là soit viable et que les patrimoines continuent à aider à apporter leur contribution au transport dans la capitale et dans les autres villes. Bien, Hassan Boukar, nous continuons euh, sur euh, le suivant sujet de, donc, euh, de cette émission. Je le disais, cette semaine, l'on apprend l'évasion de quelques repentis de Boko Haram du camp de Goudmaria, mais rattrapés. Par ailleurs, deux autres jeunes ont échappé des mains de Boko Haram pour rentrer au Burkina. Il s'agirait d'un Nigérien et d'un Nigérian. Tous deux, selon nos sources, faisaient partie des 39 personnes enlevées à Ingalewa donc en 2017. Qu'est-ce qui, selon vous, euh, expliquerait ces évasions pour des gens qui ont déposé les armes pour se rendre volontairement Je parle bien sûr des repentis qui sont revenus à un moment et qui sont en tout cas gardés euh, dans un camp, le camp de Goudoumaria c'est un sujet dont il est un peu question ici à DIFA, ça anime un peu les discussions. On parle de six répandus qui ont quitté justement ce camp situé là, juste à la sortie de, Goumaria. Parmi les six, euh, les quatre auraient été attrapés non loin de la frontière du Nigeria, mais il y en a euh, apparemment, d'autres qui n'ont pas pu être rattrapés, selon euh, ce que les gens disent ici à Gifa. Alors, évidemment, ça, questionne euh, l'efficacité des, méthodes pour cette intégration de ces jeunes. À un moment, l'idée était aussi d'en faire un exemple, puisque certains de ces jeunes ont été encouragés à venir, à déposer les armes et à subi ces opérations de réintégration. Et ça pouvait servir d'exemple à leurs camarades qui sont encore restés dans le maquis, qui sont restés dans, la guerre contre l'État. Mais euh, ça montre quelque part, qu'on a manqué de vigilance, c'est peut-être pour ça qu'ils ont pu s'en aller, mais peut-être qu'on euh, peut aussi interroger l'efficacité des méthodes d'intégration de ces jeunes. Peut-être qu'ils ne se retrouvent pas dans ces camps où ils sont, mais en tout cas, le fait qu'ils aient ces ça pose beaucoup de, questions là dans la région. Mais en ce qui concerne là, ceux qui ont été enlevés à Toumour et qui sont revenus, on en parle aussi. Je pense que pour les gens, ça montre quelque part que la question de la sécurité est encore à construire dans la région de Bifa. On a l'impression que ces groupes peuvent agir partout où ils veulent, en particulier le long de la Comadourou. Ça montre vraiment que la sécurité n'est pas assurée. il y a beaucoup de commentaires ici des gens sur le fait que, par exemple, ceux qui ont été assassinés à Toumour ont requis la protection des services de sécurité, qu'ils ont dû euh, prendre en charge eux-mêmes, que finalement, ça ne leur a pas servi à grand-chose. Et donc, il y a beaucoup de questions, euh, des inquiétudes de la population, notamment sur les questions de sécurité. Les gens ont l'impression vraiment que la sécurité de la région de l'Israël est à construire, que euh, la sécurité gagne le du terrain. Et là, le fait qu'en franchissant la frontière de l'autre côté du Nigeria, on a l'impression que ces groupes se sont vraiment réorganisés, ils ont repris du poids de la bête. Euh, il y a apparemment une absence aussi de l'armée nigériane dans cette zone, ce qui fait qu'ils ont un terrain où ils peuvent s'organiser, non seulement mener des attaques dans le nord-est du Nigeria, mais aussi franchir la frontière et venir poser des actes au, Niger. Ah, ah, oui. oui, Hassan Boukar, s'agissant des 39 femmes et enfants enlevés à Ngalewa, justement, est-ce que le fait que deux s'échappent pourrait-il compromettre la libération de ceux qui sont encore otages c'est qu'il a dit, ça dépend de. D'abord, il faut peut comprendre les conditions dans lesquelles euh, ceux qui se sont échappés ont pu, ont pu fuir. Et euh, on ne sait pas euh, comment ça s'est passé. Est-ce que ça va compromettre la suite Je matériel, sais c'est difficile à dire. Mais en tout cas, ce que j'ai dit, c'est que là, globalement aujourd'hui dans la région, euh, il y a beaucoup de discussions sur la sécurité, notamment sur les zones frontalières. On a l'impression que les groupes peuvent frapper partout quand ils veulent et là où ils veulent. Donc c'est vraiment une inquiétude, alors qu'à un moment, on a eu l'impression que la sécurité est un peu, plus, mieux assurée. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'inquiétude au niveau de, la région par rapport aux agissements de ces groupes-là. OK. Nous revenons au studio. Euh, Rufai Dandoua, euh, comment vous, vous, vous, analyserez cette situation, euh, le fait que euh, des gens qui ont déposé les armes, qui sont revenus, puissent tenter de s'échapper du camp dans lequel ils sont, ils sont gardés, ou en tout cas des programmes de réinsertion sont, sont en cours. Comment comprenez-vous ces évasions Personnellement, je pense que c'est là Hein, à mon avis, que dès au départ, c'est peut-être euh, avec d'autres intentions que, que ces gens-là étaient venus. Et je ne pense pas que lorsque tu te repentis et, normalement, avec sincérité, que tu puisses encore avoir des remords et, et, tenter de, de, le puisque normalement, et, on, on planifie toute une série de choses pour faire en sorte que lorsque vous êtes, euh, lorsque vous êtes repenti et que vous êtes inséré de la, réinséré dans la société, on va vous mettre dans les conditions. Ça, ça a été le cas, si vous vous rappelez, après la première rébellion au, Niger, où mhm. beaucoup ont profité de la réinsertion euh, sociale pour être, par exemple, des, des porteurs de tenues. il y a des douaniers, il y a des, gardes, euh, et, on suppose aujourd'hui qu'on euh, a oublié tout cela et ils sont bien relâchés, ils ont le vac à leurs occupations. Mais aujourd'hui, voir que les gens qui ont été récupérés et qui Normalement, l'on fait de manière volontariste et essaie de s'échapper, cela veut dire qu'il y, a, qu'il y a quelque chose, mm. qu'il y a anguille sous roche. Moi, je, vraiment, ça me fait de la peine cette situation à, Adifa, même si ce n'est pas seulement à vous vous rappelez, avant-hier, le président du Nigeria, Buhari, était parti à, à pour voir les militaires pour une euh, euh, rencontre annuelle de, l'armée nigériane. Il l'a fait à Medouguri. Ça, c'est pour envoyer un message fort et à Boko Haram pour leur dire que quoi que vous fassiez, nous sommes sur là où vous pensez être pour vous montrer que nous sommes là et que nous n'allons pas abandonner. Comme l'a dit Buhari, nous allons vous poursuivre. Ah, hier, il y avait eu une rencontre des chefs d'État africains, les, trois, le président Buhari, le président du Niger, le président tchadien, pour parler, pour changer de stratégie d'attaque. Je pense qu'il faut faire en sorte que les stratégies soient euh, commune entre les trois pays et, vraiment essayer d'éradiquer ce problème. Parce que vous l'avez rappelé, les 39 euh, euh, femmes, et enfants. et enfants. de Ngalewa dont on n'a pas encore de nouvelles, ça fait quand même... oui, il y a deux, en tout cas, deux personnes, deux jeunes qui se seraient évadés. Donc, est-ce que vous pensez que cela pourrait remettre en cause les, les, les éventuels processus euh, de négociation pour la libération des, autres otages. Il faut voir aussi euh, un autre aspect. Il faut se dire est-ce que aussi ce n'est pas un signal que euh, Boko Haram lance aux autorités quel genre de signal en, laissant par exemple s'échapper c'était le cas, aussi, vous vous rappelez, avec les filles de Chibok. Mm. On a commencé à avoir des, des, filles qui sont échappées et après, il y a eu une négociation. Mm. Ça peut aussi être cela pour mm. permettre euh, de détendre euh, la situation et, négocier avec eux et passer à la libération prochaine. Hussein Issa, euh, <coughs> cette question de la région de Difa, ces évasions, notamment de jeunes repentis de Boko Haram dans le camp de Goudoubaria, euh, dont d'autres ont pu être, on l'a pu rattraper d'autres et euh, d'autres se sont volatilisés. Comment vous comprenez que des personnes qui ont déposé les armes puissent euh, tenter de s'échapper aujourd'hui Vous savez, quand la question a été posée, ou du moins la main a été tendue, pour reprendre l'expression, au niveau de la région de Difa, il y a beaucoup qui ont considéré que non, des gens qui ont délibérément décidé d'aller intégrer une secte pour venir donner gratuitement la mort et en égorgeant des populations civiles qui n'ont rien fait. Il y a beaucoup de gens qui étaient contre cette démarche-là. Effectivement, il y a certaines personnes, certaines catégories de la eh, population de, la région qui n'étaient pas d'accord avec ce système parce que tout simplement, ils se disent que non, à partir du moment, parce que quand on invoque la question de pauvreté haute, mais la pauvreté affecte combien de, de pourcentage au niveau de la population nigérienne Chacun se débrouille comme il peut. Les gens ont décidé d'aller intégrer une secte, qui est là pour donner la mort. Quand il vient, quand ils viennent, ils donnent la mort. Mais, euh, euh, depuis un certain moment, euh, l'État du Niger, en tout cas, avait affiché sa volonté, d'accueillir tous ceux qui se, seraient, répandent. Justement, mais la secte Boko Haram, la base de la secte Boko Haram, ce n'est pas au Nigeria. Est-ce qu'au Nigeria, jusqu'ici, on a fait une telle proposition je n'en sais pas. Je n'ai pas connaissance qu'une telle proposition a été faite au Nigeria c'est le combat, il faut les combattre. Ousseini, la question c'est comment vous comprenez que des gens qui ont accepté, euh, des, qui, euh, qui ont affiché qu'ils sont, sont répandus, qui sont venus, justement, ils, sont, ils, sont, pris en charge par l'État du Niger. Est-ce que c'est sincère la repentance, la repentance là, est-ce que c'est sincère On a donné jusqu'à pratiquement, je crois, fin décembre 2017. 2017 pour que ceux qui ne viennent pas, on considère après, on, a ouvert, après, le délai a été on a élargi encore et ça continue. Ça n'a aucun sens. Mais bien évidemment, il faut s'attendre à ce que des gens décident, peut-être c'est des commandos qui viennent pour chercher des informations et remonter pour dire voilà le dispositif, voilà comment les choses se passent ils sont dans un camp. Est-ce que ces gens-là sont en contact euh, avec mais, non, non, non, mais, non, mais bien. ça doit faire réfléchir les autorités pour, pour, pour qu'elles comprennent que ce n'est peut-être pas la solution. Mm. Voilà, bien évidemment, mais quand ils ne sont pas en contact avec la population, mais ils sont toujours en contact d'une manière ou d'une autre avec la population. Hussein, quel est votre point de vue par rapport à ces deux autres-là qui sont revenus euh, Oui, mais ils sont revenus. Peut-être que peut-être qu'en s'y rendant, on ne sait pas. Peut-être qu'ils se disent qu'en s'y rendant, ils vont être exécutés parce que tout simplement, mais les autres qui sont partis, ils sont partis. Non, nous parlons, je parle euh, de, des deux autres qui faisaient partie des 39 enlevés. Mais des 39 enlevés, aujourd'hui, moi, je viens d'apprendre ça sur ce plateau-là. Hmm. Les 39 enlevés, là, ils sont revenus, ils sont revenus, mais comment ça s'est passé Ils ne sont pas revenus. C'est deux jeunes qui... se sont échappés. Ces deux jeunes qui se sont ils échappés. ils ont pu s'échapper parce que tout simplement. Mais justement, peut-être qu'ils ont dû euh, profiter d'une situation de, de, de, vraiment de, relâchement par rapport au, à la Est-ce que cela pourrait rendre difficile la situation des autres mais reportages les, les, viennent de parler des filles de Chibok. On a vu comment les choses se sont passées. On ne peut pas Pour savoir. Vous, il y a euh, donc cette probabilité qu'il y a une similarité. Mais, bien euh, entendu. C'est les mêmes ravisseurs. moi, je pense que. Euh, bien, entendu. On, doit prendre les, les, Ça, oui, ça, peut être difficile et les négociations, tout comme ça peut être un signal fort qui, qui, est, qui a envoyé aux autorités pour leur dire bon, on, relâche la garde et deux s'enfuient. C'est probable, hein, je pense je le disais, la femme à l'honneur avec les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. C'est une campagne lancée à partir du 25 novembre passé, date de la journée internationale pour l'élimination des violences envers les femmes. Cette année, le thème de la campagne est Oranger le monde. Hear to me, écoutez-moi aussi. Cette campagne recueillera et mettra en avant les voix des femmes et des filles qui ont survécu à la violence, qui défendent les droits des femmes jour pour jour et qui passent à l'action. Alors, Hassan Boukar, dans le contexte du Niger, quelle est, d'après vous, l'ampleur des violences faites aux femmes C'est peut-être euh, difficile à dire, mais euh, dans le contexte actuel de conflit et tout ça, je pense que euh, peut-être des choses euh, qui peuvent aussi prendre de l'envergure, qui peuvent prendre de l'ampleur puisqu'en période de conflit, on peut voir ces violences, mais il y a aussi des violences au quotidien que les femmes vivent dans les ménages, des violences qui sont parfois liées à des traditions, etc. Euh, c'est des choses qui sont bien documentées dans d'autres pays, en Occident, et tout ça, c'est bien documenté, mais peut-être chez nous, là où les statistiques, les chiffres ne sont pas très bien travaillés, c'est très difficile à dire, mais c'est des choses qui existent. Et moi, je les perçois comme un problème de droits humains et, c'est normal que les femmes se battent, mais pas seulement les femmes. Dès lors que c'est une question de droits humains, je pense que ça concerne tout le monde. Nous devons tous nous mobiliser pour que cette violence la fête dans les ménages, pour que les ménages soient des endroits sains pour les femmes, pour les filles, que ce soit un ménage où un minimum de droits est respecté pour tout le monde. Donc c'est un peu difficile de dire euh, de l'ampleur euh, qu'elle est aujourd'hui la situation, mais c'est des choses que tout le monde sait que ça existe dans le pays, cette violence. Et je pense que euh, nous devons tous, en tant que, comme des médias, alors nous, notre rôle en tant que médias, c'est de faire connaître ces violences-là, dire quelle forme ça revêt, euh, où est-ce que ça se passe, etc., etc. Ça permet aux décideurs de prendre les bonnes décisions. Mais je pense que les défenseurs des droits humains dans le pays doivent se mobiliser c'est une violence dont les femmes sont victimes. que c'est une question des droits humains. Je pense que ça concerne tous les citoyens, tous les défenseurs des droits humains. Et c'est bien qu'il y ait des temps d'activité. Ça permet au moins de mettre sur la table ces violences et d'amener les pouvoirs publics à prendre des mesures pour protéger les femmes. Alors, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on sait ce qui explique fondamentalement euh, euh, donc ces violences faites aux femmes et comment est-ce qu'on peut y remédier? Alors, quelquefois, certains vous parlent euh, euh, d'une certaine interprétation de la religion musulmane où on pense qu'un mari peut punir sa femme. Il y a des choses de ce type. Mais parfois, ça peut être lié euh, à l'alcoolisme, ça peut être lié à d'autres types de problèmes au niveau du, ménage. C'est des choses qui existent. mais je pense que quelquefois les gens parlent de la pauvreté et tout ça, euh, qui, crée la violence dans les ménages, qui crée des tensions et où, en fin de compte, la victime, c'est la femme. Il y a aussi une certaine perception de la place de la femme est perçue comme le sexe faible, entre guillemets, et où euh, il y a souvent des violences qui sont liées à ça. À mon avis, ces violences sont parfois par des croyances, par certaines coutumes qui, sont faites. Ça peut être aussi, par exemple, euh, des choses comme les pratiques traditionnelles néfastes, comme et tout ça, qui sont aussi des violences. Euh, la question, la question des mariages précoces, souvent, il y en a qui, euh, mettent, qui le mettent dans le panier également des, actes de violence. oui, par exemple, les, sur les mariages des enfants, les mariages précoces, euh, évidemment, euh, je parlais il y a un instant des pratiques euh, que les gens justifient par une certaine interprétation de la religion. je pense qu'une des choses qui bloque justement ou qui favorise le mariage des enfants, c'est aussi une certaine conception de la religion Tu veux que, puisque l'islam ne fixe pas d'âge pour le mariage, que euh, les gens puissent se marier dès que la fille a atteint un certain âge, qu'elle atteint l'âge de la puberté, etc. Des conceptions qui sont souvent, souvent mal interprétées Oui, je pense que c'est parfois mal interprété. Et si vous parlez du Niger, euh, du Mali, de certains pays aux, aux alentours, c'est quand même des pays dans lesquels le mariage des enfants est très, très fréquent. Mm. Et de lors qu'on fait des liens entre justement des pratiques comme le mariage des enfants et la violence faite aux femmes, c'est donc malheureusement quelque chose qui prend beaucoup de l'ampleur dans notre pays. Bien, ça, oui, euh, rapidement finissez. Oui, oui, oui. Je dis par exemple les, statistiques euh, des l'INS et tout ça montrent que dans certaines de nos régions, le mariage des enfants est quand même quelque chose de, très très développé et du coup ça, ça, peut donner oui une certaine idée de l'ampleur des violences faites aux femmes dans notre pays. Nous revenons au studio euh, Rufai Dandoua, en quelques secondes parce que nous n'avons plus de temps pour euh, s'étaler. Euh, comment y remédier aujourd'hui en tout cas puisqu'il est réel que la violence faite aux femmes est une réalité, comment y remédier je pense qu'on ne peut. Euh, on, revient aux fondamentaux, à la source, à, la religion. La religion musulmane ne, ne donne pas et la permission à un homme de, de, faire violence à sa femme. On dit, quand on dit que tu peux punir ta femme, nulle part n'a été dit que tu peux la frapper, que tu peux la maltraiter. Non, non, c'est la religion qui donne peut-être le plus de droits à la femme, le plus de, de possibilités à ce que la femme juste et s'épanouisse dans son foyer. Or, les gens font une, eh, mauvaise interprétation des choses. Mais, mais, moi, je pense que eh, vraiment, lorsque eh, tu vois quelqu'un maltraiter la femme, quelque part il y a eu défaillance et c'est en cela euh, qu'il faut remédier. Déjà retourner aux fondamentaux, comme je dis, à la religion qui donne eh, la possibilité eh, à un couple de vivre harmonieusement. Et les marabouts le font quand ils font les mm. prêches. Ils expliquent comment le prophète a été et, eh, dans son foyer et comment l'homme doit rester dans sa famille. C'est vrai, et Abel a dit, peut-être sous l'effet de l'alcool, tu viens, tu peux faire beaucoup de choses. Mais je pense que quelque part aussi, ce n'est pas un Il y a des gens qui prennent de l'alcool et qui ne le font pas. Euh, Ousani, quelques mots Quelques mots, moi je veux dire, non, les solutions, s'il a pas une question de solution, on fait le lien entre l'islam et la violence. Non, moi je considère que c'est faux c'est une question de tempérament. C'est une question de tempérament. Ceux qui font et exercent la violence, ce n'est pas seulement en Afrique, c'est un peu partout dans le monde où on voit des, pratiquement des gens qui se lèvent, qui se mettent à égorger, prennent, de, des femmes pour, pour, pour, les découper. Pour vous, ben, ben, ça n'a rien à voir avec euh, non, euh, la religion. C'est une question non, de Non, non, c'est une question de tempérament où le gars, il est psychopathe, un fou je peux considérer qu'il peut se permettre de tuer tous les jours, il va prendre une femme, il va aller. Fin du forum de la presse de ce soir. Nous étions en compagnie de Hussein Issa, journaliste freelance, Rufai Dandoua, euh, Hassan Boukar depuis DIFA, euh, directeur de la radio alternative. merci à vous d'avoir suivi cette émission. Euh, n'oubliez pas les rendez-vous des forums en Hausa et en Zarma samedi et dimanche. Bonsoir.